Aujourd'hui, l'amicale des femmes de l'aéronautique civile, de l'aéronautique civile, a organisé une journée de don de sang. Vraiment, c'est un acte citoyen. Et puis, comme que banque de sang, de euh, femmes manquement. Euh, nous femmes, nous avons pensé que nous devons contribuer. Parce que tout d'abord, nous, euh, nous, sommes des femmes, des mères, donc en, ensemble, nous englober toute une société. Donc, acte humain, nous devons sens boobu la ñu jël euh, aujourd'hui nous devons participer à notre façon en organisant une journée de don de sang. maye deret moom jaamu la surtout donc euh, hormis le euh, programme bi euh, centre de transfusion appel bi hormis loolu kenn ne war nga nul nul n'est épargné nul n'est à l'abri donc kenn ku ne soo xamee loolu à tout moment rek possible, possible nga a centre transfusion sanguine nga une poche benn poche wala deux poches centre coûte rien et ça peut sauver des vies. Que koo xam ne tu es apte que nga maye deret defal le tout nga dem maye deret parce que c'est sauver des vies li nga maye sax mën nañ la ko joxat xamo sa mbokk lay jëriñ xamo sa dom lay jëriñ xamo yow ki sa bopp lay jëriñ kon képp ko xam ne gis na ni ñi ngi def don de sang te nga apte pour maye deret il faut faire le tout nga dem di nga ci am yalla di nga ci am yonent bi vraiment et c'est un geste très très très noble vraiment. yemale wuñ ko ci amical bi kese bien que l'amical des femmes de l'aéronautique civile compte plus de 300 femmes mais qui inclure à euh, ñi population aux alentours de l'aéroport les Sédar Senghor. Ah, en tout cas bëgg nañu jox centre de transfusion plus de 300 poches ce que nous bëgg xam nañ ni euh, atteindre. sentiment bi l'engagement que j'ai vu des agents ils sont conscients ils ont vu que vraiment euh, que c'est des choses qui peuvent sauver des vies et puisque c'est des choses qui peuvent sauver des vies. Je pense que c'est une cause noble que tous les agents viennent au moins donner leur sang. Je pense que même tous les agents naient fille pour me lancer ce message mais n'est que fille au moins que nous continuons de perpétuer cette euh, ce don de sang pour permettre à ceux qui en ont besoin d'en bénéficier et de se des Bonjour, comment ça va et comment va la santé